vais vous faire la lecture du communiqué 186 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce jeudi 3 septembre 2020. Nous avons reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1032 tests réalisés, 83 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8 0,04%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 42 cas contacts suivis par nos services et 41 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes ou quartiers suivants. La commune de Thiès, 5 cas communautaires. Gibraltar, 2 cas communautaires, Grand Dakar, 2 cas communautaires, Gedewaï, 2 cas communautaires, Kaula, 2 cas, Kedougou 2, Les Maristes, 2, Mbao, 2, Les Parcelles Asini, 2, Seyou, 2, Tiwawan, 2, Yombol, 2, Zigenchor, 2, Fatik, 1, Ngor, 1, Wokam, 1, Westfoire 1, Passy 1, Pikine 1, Point E 1, Rufisque 1, Sarea 1, SICAP Liberté 1, SICAP Liberté 2, 1, Touba 1, EYOF 1. 47 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 33 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès enregistré ce mercredi 2 septembre 2020. L'état de santé des autres patients est jugé stable. À ce jour, 13 826 cas ont été déclarés positifs, dont 9 553 guéris, 287 décédés et donc 3 985 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prendre rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous rappelle les recommandations du jour qui aujourd'hui vous disent ceci, prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté, et pour cela, accorder une importance haute à trois gestes essentiels, notamment le port correct de masques et toujours, le lavage des mains de manière fréquente et enfin, le respect de la distance sociale. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum Mboki. ma communiqué bi ci ministère de la santé et de l'action sociale Tay alxames ñetti fan ci wéru septembre bi ministère de la santé et de l'action sociale jotna résultat examen virologique yi may waaj lim ci junni ak fanweer ak ñaari test yi ñu jotta def juroom ak ñoo ci positif ci positif yoyu, am nañ ci ñeent fuk ak ñaar cas contact mooy ñi nga xam ne jot nañu feebar bi parce que dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñeent fukk ak benn cas communautaire ka communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñ fu ñu ko jëlee ñooñu nag seen lim nii la tëddee Thiès am na ci juróomi cas communautaire Gibraltar am ñaar Grand Dakar am ñaar Géejawaay ñaar Kaolack am ci ñaar kedugu ñaar Mariste am ci ñaar Mbao am ci ñaar Parcelles à ñaar Sédhiou Sédhiou am ci ñaar Tivaouane am ci ñaar Yëmbal ñaar ñaar Ngor ben Wokam Ben, Westfoar Ben, ben, Passy am ci ben, Point E ben, Rufisque Ben, Saraya am ci ben Liberté de BEN, Touba ben, ak ben, ñen fuk ak juroom ñaar si malade yi ñu entré won hôpital wër nañu bëss ni fi tay dinañu genn bu ci andé fan wër ak ñet ñu nga réanimation kenn bakanam bu su demb alarba ñaari fan ci wër septembre biñ nek ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bëssu tay dalé ko ci ka bu ñëk ba Sénégal fukki junni ak ñet ak juroom ñet ak ñaar fuk ak juroom ben ñi nga xamné jot nañ ci doomu jangoro

di wo askan bi ñu gëna samonté ak digle yi muy joxé bés bu nekk di leen fatali nak na ngeen ar sen bop aralé seeni jabot ak askan wi pour lool nak mu ne ngeen bay xel ci ñett ñett euh, ñett kaddu yu ma bëgg wax moy masque bi ngeen bañ bañ leen ko bu leen ko faté di raxas sen loxo sa sa bu ngeen ko munee té aussi respect distance sociale moy manam. fépp fi nga xam ne mbooloo yi dañ fay daje nga fexe ba bàyyi lu toll mètre sa diggante ak ki nga janool ki nekk sa ginnaaw sa càmmoñ wala sa ndeyjoor ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam